yau haudan me na san ki zo mataki ne ni ban ah, <laughs> da damuwa kuma na mose kuma na mose me har sai ko bi me ba ni ko bi me sannan ku zuwa bisa kan shirin alafada kun shi su da yan mata da samarin karmayo wanda suka gayyace mu in ce cikin gonakansu don mu zo mu hira tare da su bayan wannan waka ta Hamisu Breka za mu ma kowa barka da zuwa sakan shirin tusu ala fada fada mun dora ta a nan commune rural de Karma departement de Kolo Tilaberi kwanakin baya mun yi hira da matasan Haro Banda da ambaliyar ruwa ta rikita musu rayuwarsu ta yau da kullum des inondations qui ont bouleversé la vie de plus de 350 000 personnes et tué 111 dans plusieurs localités du pays selon le quotidien Le Sahel du 15 septembre passé shi yasa muka leƙo karmasu kuma mu ji wannan wannan ambaliyar ruwan wani irin banna ne ta musu musamman ma matasan da suke noman su na shinkafa ko kuma waɗanda suke da rankin su lejon maraîchers comment cette invasion des eaux les a affectés comment font-ils face à cette catastrophe a wannan fadar tamu muna tare da Amina Almu et les jardinières Amina matano ni ko bani ba ni samai Matkarma. Ça va, non Komada Rachida Omorou, elle, elle passe en classe de terminale, Rachida. Ça va, Kina Laïa Nayal. Hikmat à Kanga? Nayal. La dama karatu Alhamdulillah. To, Ok. Sonin Kira Zabus Kanchirun tous à la fada. Nous sommes avec Nafisa Tahiru. Elle est légale Gautier. Ça va, Nafisa Ça va, Mataga. Ça m'a wala matuno. Ça m'a aidé, non. Matane Rando. Nerando, Alhamdulillah. da Daouda Seydou, il est jardinier, cultivateur. Il nous accueille aujourd'hui dans son champ. Malheureusement, sont inondées et détruites par les eaux. Ça va, Seydou Oui, ça va. Maintenant ah Voilà, alhamdulillah. Tomate souro. Tomate souro, tu es regardé. kodem dirse ami wala tare da sumana adamu ilo cultivateur également sumana mataran kani same wala to yau dai sai dai a hankali tunda hausa babu anan mai Hausa ma ɗaya ce tak a wannan wurin kenan sai a hankali <laughs> ku bi mu sau da cikin wannan shirin namu Comment, comment, Anoukosani Il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique et la chronique d'Olivier. Olivier, ça va Oui, ça va bien aussi, Dieu merci. aujourd'hui, la chronique, on aura quoi Bien, perché sur euh, peut-être un arbre à karma. la chronique d'aujourd'hui. <laughs> ouais, t'es vraiment perché. On va parler de, des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux sociaux pour apprendre WhatsApp, Golo Gono, Gono. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec WhatsApp aujourd'hui. Voilà. <laughs> Ok, à tout de suite, Olivier. Situé dans la zone du fleuve Niger, Garenkarma, c'est 54 villages, 64 hameaux et environ 2247 habitants. C'est aussi des dizaines d'hectares de rizières et de jardins. Yo, Tara da matasan karma. Zan mu ji wannan ambaliyar ruwan wace irin banna ce ta musu yanzu tambaya ta ta fari kan ruwan wannan. J'aimerais savoir quelle activité faisiez-vous avant ces inondations. Zan fara gare ka Dauda Seydou. Wai. Hal haro ga ka ganga goya goyo te mhm ifo de no go, ifo de naron gote ne no non go wora ifo di fo gote to ne o kirgo ke hala haro ga yombu inir jadanga dang mhm deja dumize iberin bu chimchimi dumize kali kan bose ak kamboriang nan kan boryan ika mbo foto en sambu nyama ibore ir mangai kai go ngai foto sambu dumize go beri boryan di gari ba alai tam na roka kaga nwa o din ka din guno din kun su banwa zamni wani din ka gwi hin no ka haro kaga saro ya gaci ne na to kan dai wannan ambaliyar ruwan ta zo dai wallahi ci ba babin da ba shi ka anan cim na na sarauti zamne o kai go gorumbu tam kanci ne haro mana wawo, dinin sinim kawo ni sinim kawo ai boran sur kaina to oh to kun ji ko an dai ce kan dai wannan ambaliyar ruwan ta zo ta musu wannan bannan wurin gara muke zaune cikin shi ma wata babbar gona ce in aka ce maka ma ka zo ka zauna ba ka iya zama kun ba abin da ba a sa wurin gwanin sha'awa tsan washar amina almu ɗazumin yawo kin gwada mini jardin kinki cin hakan ga da ruwa ya cinye kina iya gaya mana a kan wannan ruwan ya zo da mi wannan ruwan da mi da miye miye kuke shifka anan ifa difa na rango dum ne hare ga igdan lamti kubewa da ga dan saladu mm. dan su mm. abinda ka ani kulunwa da salad da shu duka wannan dai ruwa yanzu ruwa ya cinye mu je ga tambayar tamu ta biyu parlons toujours de cette invasion des eaux dama kun saba ganin irin wannan ambaliyar ruwan ko ku dai wannan ne na fari sumana mhm. a lalle gudu wani gate dama an 2003 iddo ni inonde oh. An 98 ngumu iddo ni inonde ok donc inondation wone wo hambagara ngiti hinzanta tayi wo ibayraga oh. me haran wono cinuno manti Ah, kamar da bana ne ba a oh, zama haran a hurkal faraira ai wo kai yante gibi sai an ga mun to faraiga rugara dai na kai rugara dai no da ambaliyar ruwan ba ta shiga cikin gona kai ba ba shiga cikin gona mm. mm. mhm. ndi an ga wo iman to faraira iman to kalera yadin kulu an bar oh. kalai kote dai no yinwa o oh, riziyar riziyar do harai magar do harai kambo me wo ne wo balawu dai no kai irkoi samba ba su taɓa ganin ba irin wannan dai ruwa ya shigo har cikin gonakai dai da dai yana tsaya dai nan cikin filan filan kin shinkawa da ake shinkawa ne wo kin go lamtu farrano yurgo ne di matkan atase ah. lamto miya miya na lan da ba da la yan no borado dum ne da hamo on kan go amasi ridi ne da kubiya nan ne mm. kuma ruwa ya cinye shi yanzu Allah ya taimaka ina so wani ya kwatanta mini man sa se passé pour vous ku gaya muna kaman Rashida kina ya gaya mini kina tuni har wannan ambaliyar ruwan tuni mhm. tunda lokacin da ya fara dai ya dan shima da fara lokacin da ana ta ruwan sama ruwan sama kuma ana ta wasu ruwa ne da ke fitowa daga wani waje mm. ni dai a wayo na ban taba ganin kamar irin ruwa na bana ba mm. ban dai ne na ga sun yawa haka har sun ya gonaki da wajen sa shinkafa. To kai kawai kai tsaye ne rana guda ne aka yi wannan ɓannan koko dai ci gaba ne. Ba rana guda ne ba suna zauwa ne kullum suna karuwa ne. Hmm. Sannu sannu ne sai da suka shahe wurin duka. Dauda, faman da ce. Mm-hmm. Mutum hayo ka garan garda warin wo borogo ke sa ne musu musu dai no harogo te te te to kala. Musu musu no kai ni kai dai na so bai gu fure. Tino rairo ir kai dimbo ir dinir hina kute ir so bai gu ngai ilala borgo di bata mawa ngini. ne wo kul karai go gorma me harnu harnu mm. gunu ne din gunun bu nan duka wurin ruwa ne inda muke nan zamani gamu ma me tamakanci haro ka dine muka kai won boy sun honne haro go kai bata mara sintina borai sintin ga bata ma iso bai lalabu kan nan am su dugur palera mm. bora i go lalabu i go lalabu hino dayoŋon bo hino ka de suru ina bombo y'o sun kai a kaw ka da haw hino no ana bata sa. to ka nu palai hayo din no hino a ka guru kalaira. Mm. Tale mo dumi zai ma ma so bagi yanan dum ndi gunan isa no halba ne din ndi ah. isa go halba ne bum amma ndi haruka ka den ngini kala ziji boye ne o il faut que an hanu ko kari hardin oh. il faut que num furhi yi no fure yi no furne du ko to yari min zuma ruwan da ya sinya gona ka hama ma sai an shiga cikin kwalokwalo sannan a wuce tsakankanin gona kan ma to ya ce dai da lokacin da wannan ruwan ya zo dai sun yi bakin kokarin su amma dai ruwan ya hikarin su sai dai hakuri kuma yanzu to yanzu kun ji dai hira da muke nan tare da wa'annan matasan amma ka mu ci gaba da wannan hira za mu je mu ji shi kuma bangaren dondi cikin rubrikin tashi da mu ya zo mana da shi nigerian nigerian mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey! Chers amis, vous êtes sur Tous à la Fada, l'émission des jeunes. Nous entamons pour vous une nouvelle rubrique dénommée L'artiste s'exprime. À travers cette rubrique, nous allons à la découverte de nos artistes nigériens préférés. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font Vous brûlez sans nous doute d'envie de le savoir. Si on nous pas encore fini. C'est pas, pas fini. C'est pas fini. Je suis extraterrestre un enfoiré de qualité. <laughs> Il fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Plus de 100 000 abonnés sur sa page. Quand on sait qu'ici au Niger, ce n'est pas du tout chose facile. Nous accueillons pour ce nouveau numéro un humoriste. Il est jeune, il est pétri de talent, il sait faire une renommée dans le paysage du stand-up nigérien. Il s'appelle Waniski Montana, Bogos international. Il a tout planifié, mesdames et messieurs. <laughs> tu es content Ouais, je suis content. <laughs> Il est très content. Alors, tu as des fans, hein? tu as 100 000 euh, déjà abonnés sur ta page, tu as des millions de vues sur Facebook. Eh, dis-moi, Waniski, qu'est-ce que tu entends par Waniski Montana Waniski Ouais. En fait, mon vrai nom, c'est Larwan. La Rouanou. J'ai pris le Wanou, j'ai un peu. Eh, il s'appelle Rouanou un peu, ceux ne savent pas. <laughs> ouais, c'est interdit de m'appeler Wanouski. Rouanou, c'est Wanouski. Ah, attends, c'est interdit de la Rouanou C'est Wanouski. Ah, ok. <laughs> c'est Wanouski. Ok, d'accord. Alors, Wanouski, euh, c'est la Rouanou mélangé à un certain nombre de choses. Ouais, c'est. C'est un cocktail. J'ai pris le Wanou de la fin. Wanou J'ai un peu maquillé, ça, ça donné Wanouski à la base, c'était juste pour un sketch. Ok. Tony Montana, c'est lui. Tony euh, Montana, le gangster. Mais <laughs> attends, tu, es gangster aussi Non, non, la chose Non, non, c'était un sketch d'un rappeur, quoi. Un rappeur interplanétaire, un gars qui est vraiment, genre, le meilleur rappeur au monde. Maintenant, j'ai trouvé le place. Après, les gens, ils ont aimé. J'ai dit non, attends, ça, on va garder ça. Waniski <laughs> Montana <laughs> J'aime bien ce garçon. Il assure comme pas possible. Ah, il, fait, il fait le buzz sur la toile. Vous êtes donc euh, humoriste, euh, one-man show, maker et stand-up. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer cela euh, à ceux qui nous kiffent, hein, qui ne savent pas ce que c'est. Hmm. Le one-man show, qu'est-ce que tu entends par one-man show One Man Show, c'est comme, c'est en anglais quoi. Mhm. Un seul gars qui fait le show, mhm. c'est du stand-up quoi. Tu es debout, tu restes debout, il y a un public qui est là. Tu essaies de d'utiliser leur réalité pour euh, pour euh, pour leur faire rire quoi. Attends, hmm. je suis le public. Ok d'accord. Hmm. Là je te regarde. Alors tu peux me faire un petit truc pour te One Man Show. tu peux me faire rire. Oh, je peux te faire rire. fais-moi Tu es prêt Je suis prêt. <laughs> non, non, non. <laughs> non, tu vas faire rire, tu vas faire rire. Fais gaffe, j'allais aller. Bien évidemment, euh, le matos. Merci Waniski en train de me donner ce, ce sourire au lèvres qui n'a jamais fait du mal. Ça guérit, hein. Tu vois, là, j'ai toute la force. Et la force, comme on dit. <laughs> ok, d'accord. Cette activité, est-ce que c'est un métier pour euh, toi ou c'est juste une simple passion C'est un métier pour que ça devienne un métier, il faut que ça soit déjà une passion. Oui. C'est une passion, mais maintenant, ça, ça, c'est devenu un métier, quoi, carrément, parce que euh, à, à, cause de la visibilité qu'on a sur Facebook, euh, des, des, Mais tu te fais de l'oseille, tu te fais de la maille dedans ouais, pas mal. <laughs> Donc ça, commence, oui, ça commence. Les gens ont commencé à comprendre, quoi, tu vois. Ok. Euh, il y a les, one-man shows qu'on peut faire. D'ailleurs, bientôt, il y, aura mon one-man show 100 000 extraterrestres dans la poche pour fêter les 100 000 abonnés. 100 000 extraterrestres dans, la, poche. Donc tes fans, ceux qui te suivent, c'est des extraterrestres. Ouais, c'est ça, les, les extraterrestres même. <laughs> ils, viennent, ils viennent de quelle planète Mars Non, non, ça dépend, c'est partout quoi. Pourquoi Mars seulement Merci. Ah, Alors dis-moi, qu'est-ce qui te motive surtout à pratiquer ce métier Ouais, j'aime faire rire quoi. Tu vois, Tout Que je vois là, tu vois, tu es en train de rigoler. Je... Ouais, bien sûr, bien sûr, Je suis content à travers toi quoi quand tu rigoles et tout. Ça soigne aussi. J'aime faire ça, ouais. C'est une passion. Ah, super. <laughs> Alors Aniski, écoute, on va finir. Hein. Certes, il n'y a pas de métier facile hein, à exercer. Dis-nous en quelques mots les difficultés que tu, tu rencontres dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais au de toi à moi. Tu as la mm. possibilité, bien évidemment, de tout dire sur cette émission. Tu as certainement traversé des difficultés dans le domaine de l'humour avant d'être à ce niveau aujourd'hui. Alors, en quelques phrases, raconte-nous un peu l'histoire donc euh, les difficultés quoi. donc les difficultés qu'il y a dans, ce truc, à chaque fois qu'un artiste, euh, on pose la question tout le temps quand je mhm. on, me demande les difficultés qu'il y a. Mhm. Oh, certes, il y a des difficultés et tout, mais euh, je pense que c'est à nous les artistes de de voir comment surmonter. Non, de, donner aux gens la chance de nous soutenir à travers le concert que je vais organiser, à travers à, travers les partages et tout. C'est à mhm. moi de trouver un moyen plus malin de, rentabiliser ça. Le problème c'est financier. Quoi. Oh, le problème c'est financier, pour la production des vidéos et tout si tu as les moyens, tu peux faire des trucs de ouf, quoi. Avec, imagine ce que j'ai fait. J'ai eu 3 millions de vues avec les moyens de bord. Imagine si quelqu'un finance nous qui entend, c'est que ça va. faire des milliards de vues. Hein. <laughs> Tout est possible. Alors, je comprends bien. Donc, c'est des difficultés surtout potentiel euh, potentielles, Voilà, ouais. D'accord. on eh, bien. Alors, on va parler des projets. Donc, dans le domaine de l'humour, tu as des projets. Ouais, ouais. Alors, tu peux me parler de tes projets, s'il te plaît Ouais, c'est ça. Maintenant, pour l'instant, c'est qui C'est les, 100 000. C'est les 100 extraterrestres qui sont dans la Qui sont dans la Ah ouais, c'est. Bientôt des millions d'extraterrestres. On va mettre ça bientôt. Ça, c'est les projets. Hein, euh, ouais, ouais. Ok, à ça, je compte faire. Après, on va voir avec les films, euh, les, je sais pas, les séries je sais pas, des documentaires, je sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, je, je me concentre sur le, le One Man Show. C'est de l'autoproduction ou bien tu es accompagné par une maison de production Non, je ne suis pas accompagné, c'est de l'autoproduction. Moi-même, je crée les textes mhm. et je cherche entre, parmi mes amis, des, acteurs quoi, qui va, par exemple Samira, Mais... on filme entre nous, après je viens, je monte tout seul, quoi. Je, fais le montage tout seul, je poste. Et eh, attends, eh, le matos, comment tu fais Ouais, j'ai pu acheter une caméra, mais c'est pas assez grand, bien évidemment, mais c'est on fait avec les moyens du bord. Super. Alors, <laughs> puisque tu as parlé à l'instant de Samira, que j'ai l'habitude de voir dans tes sketchs, on va l'inviter sur le plateau. D'accord. Samir, tu peux venir s'il te plaît Viens, Sami. Eh, je te souhaite la bienvenue, Sami. Merci, bonjour. Alors, euh, mon cher Wanouski, tu te présentes comme l'un des meilleurs rappeurs euh, du monde, pas du pays, mais du monde euh, entier. Excuse-moi, c'est meilleur rappeur interplanétaire. Ah, c'est interplanétaire Ok, merci. Alors, tu peux me citer 5 meilleurs rappeurs au monde, s'il te plaît 5 meilleurs rappeurs au monde Oui, on veut savoir. Wanouski, Wanouski, Wanouski, Wanouski, Wanouski. tu n'exagères pas là C'est tout. ok, alors dis-moi, comment va le pays Quel pays Mais le nôtre, bien sûr. Ton pays. C'est quoi notre pays Ok, présente-nous ton pays. On est où là, nous Tu sais pas où on est On est sur Terre. Ou bien c'est sur Vénus, je sais pas quoi. C'est pour ah, l'interview, je sais pas, mon manager il m'a pas dit, je sais pas. Ok, ok. <laughs> ok, on est sur Terre et précisément ah, on est là. et là, on est au studio Kalangu. Merci bien, merci. Eh, écoute, nous sommes au Niger. Fraternisons, <laughs> travaillons, progressons. Vous êtes sur donc le studio Kalangu. Vous êtes sur aussi euh, les radio du studio Kalangu orange, blanc et vert. Mais c'est ça le drapeau du Niger, mon ah, frère. Auprès du grand Niger puissant. Mm, mm, mm. Et eh, je te dis aussi, la fraternité, le progrès, le travail, c'est ça en fait la devise du pays. Waniski <laughs> Montana, eh, il n'est pas sur terre le mec. On va finir avec de la danse. Tu vas suivre moi, ma façon de parler et danser avec moi. parce que nous sommes à la fin de la rubrique, parce que tu as aussi un talent, et eh bien évidemment, en danse. Tu vas secouer la tête, tu vas me faire le Michael Jackson et tout ce que tu veux. On finira l'émission avec euh, de la danse. À l'instant, c'était Waniski Montana sur l'émission Tous à la Fada. Mr. Mustafa Yuba, merci pour l'alisation. réalisation. Mr. Seini Isaka, merci pour l'alisation. Eh, tu ne me suis pas là. Hein? Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. là, qui tu ne me suis pas. Ouais, je sais, tu ne me suis pas. <laughs> suis, ma voix, suis ma voix, Waniski. Okay. Mr. Isaka était de la partie, c'est lui qui a sur la de cette émission. On <laughs> prend congé de vous, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant. Eh, la suite de l'émission

to mu dai ai a hankali ka faɗo muna <laughs> yau fadar muka dora a karma muka dora ta a nan garin tilaberi karmu mu kuma me ya kawo mu mun zo mu hira da matasa ne dan mun shi wannan ambaliyar ruwa da ta shahe su wace irin banna ce ta musu kuma wannan bannan ya ne suke nan suna rayuwa da ita aujourd'hui à la fada il est question des inondations de la commune rurale de Karma mais notamment la situation des jeunes comment les jeunes vivent avec euh, les dégâts causés par cette invasion des eaux à cette fada. Nous sommes avec Amina Almou et les jardinières. Rachida Oumarou, elle passe, elle est en classe du terminal. Nafisa Tahirou, elle est gargotière. Daouda Seydou, il est jardinier et cultivateur. Mais aussi Soumana Adamou, il est cultivateur. Qu'avez-vous vraiment perdu dans ces eaux Soumana Adamou, comment est-ce que estimé wace ce ta muku karo kan an miriyan zeri an buyan zeri an ruganwa to kawi burmo hala nun guru gadan ruga ni tilam hal mu wago ga hay yon rana ka ganwa an ki sa han hala hasar wo mm-hmm. al hasar wo te amma yo kan go gusala ne se hu kan ai se shi gane ke magana amma daki ya zube mishi daki ya fadi mm. mishi anai fala anwa kuma an cin kuma kuma ruwa ya cin ya hallo gona tashi ta mm da kala ruga ya ngun ngun go ya go irsin go cito bai ko ne wata kancin haro gufatta yarsu bai lokaci kan haro gufatta rayu me ga atajenda kun ji dai wannan ɓannin dai ba ta kaɗan ba ce moto pompo ga haro dinka ne haro ka dai da moto pompo ga ka ba sai aka bar di hannun gome wannan a zumbu me haro zumbu me son a zumbu wala ni man di ba ta mawa karar gun har na oh. rami har no ba ta mu mami me so oh. zumbu kai ne kai ne to daura dai ya ce wannan ruwan dai ba kamar da bare ah, ruwan ya dan ja baya har muka samu wurin zama ya ce ruwan ya ja baya ne ne ba ta mata yi. Mm. wurin wada wurin ma wurin har wurin gono da dan bada homi so ago mm. zum me kai kaina yanzu kada kuma lamba da kuke iya aiko mana tambayoyin ku a bisa kanta 806854 zan mu ci gaba da hira ta mu tare da wayannan matasan na karma kuma fatifu fas a cette situation cikin wani hali ne wannan ambaliyar ruwan ta saku nafisa wallahi ba furtage ba funa ba funa ba karande eske mo de tir wani gabo kan mo ir koyte harona ngwawo wallahi bafuna ga sande eh wallahi ir go sandaira kadai gwamnatom kokar dai girno to mawo kan haro sara ne ne ngwari sai naga te wali ga ne rin wali konda hal nan gumoriyan wal hal man wono ngaron ni konda wallahi so hora de borai gunwa zamwa oh. de tirgabo ai no matu borbo no ba da wannan ruwa ya cinye shine dama karhin su man tu borbo no ga ba hai no mo de no tu borai ngwaro zamir wani so zank zankai ma me mono irga bai mono irsi hai no wa gaskiya matasan yanzu ba hatsi ba suke son ci shinkafa ce kuma da ake ci kuma ita ce hallo yanzu ruwan ya cinye kuma banda cin ma hallo har sai da ana yin zirka dai wannan dai duka ba a samu a yi shi ba kuma sabilin wannan ambaliyar ruwan ne to yanzu zan dawo gare ka eh, dauda mhm. abin da ka rasa kai hankan nigen oh. nuna da ai kan nigen oh. nan gudan dumi zai oh, da nan gudan ga matani gin ga deran dinda ay boro da nagi da dandi ayo nige sam ko da doktor ko arfa to yace in ya kwatanta mun ma sai na dauke shi ma na dunkule shi na kai shi likita tunda abun zai nina goyi nun pala goyi a to wiyan haronin wa ai matuno nukte ni di haronin wa ne wo kanu ha mun gunu ni di haronin wa lamto haronin wa ya ni ga mate so yurum faida wakanci ni hannu su bai mihini sai ne a ah, sihe sihe sihe suru suru suru irko dem kandir sai dogona dai wallahi mayir sai mu kandir sai ga sinai wallahi kan sai haran suna neman taimako suna neman taimako haranga ta bande yanzu in dawo gare ki Amina Amina Almu kina ai ga mini cikin jardin kinki da mi da mi ne kika shibka yanzu da babu su yanzu jardin kinki duka ya cinye ko ya aka yi ni jardin ai jardin wa kunno haganwa ai dumi zai kula ga ni wa ifa difo non dandi ai dalla ai dallamti ai dan shu ai dan salado ha goni kulun wa wata shukinta da salado ta da eh, ridin da ta shibka oh, so ai wai dai si ga kutte kwai ne ha goni jinai kulun wa to kuma yanzu tace bata san ma aikin da za ta yi ba ba abin da take nan gai dai tana nan dai zaune dai an dogara ga Allah to tace aikin ma bata san yanzu ne da take nan gai ba kuma duk ruwa ya cinye mata jardin kin nata garkar ta za mu koma mu shakata hallo aiman me aiman irin mu kan sai aiman samari sun ci a sa musu don di ina kake don di kama don di an ga don di wa kana zamanu ganjo mantikala aiman Bakaricha. Worth me. Tuh sumur kami mau kami. Bakaricha. Sumur kami mau matno mau tenar bandari. Dharma sani. Aki kaigani, yanane wasanan kulu kaigani gamalei. Warabere sandamate. Igo gaisare si bandai. Wakise kane si bandai. Wakise kane si bandai. Kay Farahamo, Sibonley, Laura, Aboga, tout le monde. gondare, hey. kasi wantare, karaganda, ante. Tout le monde. bakarija eia, eia, bakarija eia, eia, eia, to eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eya Say me say sing Hey ay, ay ma. Não Ia, ia, keia, ia, ia, keia, merci! Forão! Dawda fororão, kun shua, kun logote! Wallahi, wallahi! Kun koiga, Quero odamsi! Ah, kun da! Wallahi damsi! Kun odamsi fororão, ramu fororão siye! Então... Hey! hey dawdon kun faro fa yani ga matino ni te da haino site ah, haino il faut ken bar mayem bar mi tara mi no wa gidan <laughs> hamu du kolgoti eh, <laughs> ay sar hamu ye fatini hare ay man kan ka ke eh. oh. ay foy mugite fa burgum bono go gizai non gora hino non goro ambar kadin da pomme de terre ah, pomme de terre no gitene <laughs> irmi yanka fada ramu muna hira tare da matasan karma da dai wannan ambaliyar ruwa bai hana ba a yi dariya bai hana ba a yi rawa a yi waka tare c'est ça aussi la jeunesse c'est comme bon c'est to what for the gay o haro ka nanga hasaro ti amma suka ngi boray mahari mu im ko gan kerbandi to ya di no wada it fada mu ko ini aujourd'hui à la fada il est question des inondations à Karma dans la commune rurale de Karma comment les jeunes font face à ces dégâts causés par l'invasion des eaux ya ne suke rayuwar tasu kuma miye suka rasa cikin wannan ruwan wannan ambaliyar ruwan wacce irin banna ce ta musu hirar ne muke nan gai tare da wa'annan matasan na karma a wannan fadar tamu kun ji ga munan zamna cikin gona dauda saidu shi ya gayyace mu cikin gona tashi karkashin <laughs> <laughs> <laughs> wannan ga wannan cikin gonan saidu na muka ɗora fada tamu tare da matasan karma muna tare da amina almu ita jardin gareta Rashida Umaru ita kuma terminal zata, yar eh, pass class terminal. Sumana Adamu shi kuma manomi ne. Dauda ma wanda kan shi da wanda ya gayyace mu anan gona tashi shi ma manomi ne kuma yana da jardin kin shi hallo da kan shi na na riɗi da kan shi na shinkafa da ruwa ya zo ya cinye da wannan dai ya gayyace mu ya ce mu zo mu hira a cikin gona tashi to tambayar mu ta karshe a cikin wannan fadar tamu ta yau yanzu aikin menene kuke nan gayi vous avez tenté de sauver vos terres ko kawai wani aiki dai kuka fara sumana son kai dumar sino dan oh. don ga kirgu duma haro man dirira don oh. kirgu hin sur de no hal haro musundu oh. zama da go zabu kul ag ye banda ag ye banda hmm. jara gu sundu jara gu ye banda hala gu tonan kasin gu ye banda kul hamga duma dumar dumize fogo no me ze na wasannisi dumize na wasannisi don kala ko to jawo boriyangi non gai ighin ga jaw dumize dan nga dir san pom de terre yan walal basan yan igin ga dan igin gidan kin ga san baharo ka ga ah, amma mo da mo su dan koyi ne ah, mo mo kade <laughs> kade pala hanan hmm. kade da ruga hanan hmm. ne igin go mo dan ara me kan haro ga ra yaki na sin gite to yanzu da hmm. in wannan ruwan suka jaye inda ruwan suka jaye sai da ah, suka ce za su neman wani pom de terre ko wata albasa hakan ga da shibka tunda dai wannan tsohon shibka dai wannan ambarzancan su yanzu shikenan kawai amma sun samu abin da suka shibka dan dai ka a zamana haka nan to amina ke kuma gaya mini ya mina ne kike nan gan yanzu ok sirai kutti oh. ka dai da haro fata imdu albasan yangadan oh. ma sun oke isin gai kudda zama haro man fata to ita ma amina jira take ruwan ya koma ta samu albasa ta sa albasa dai ta ce za ta sawa in wannan ruwan suka ja baya sauda <coughs> kai kuma miya kake shirya yanzu miya kake nan gai a yanzu to sai zama dai gorai dai son kai gorai dai na oh. gwan son wani in batu ba yi rigore ga haudir ko ga hangan di matka kam oh. de kai dia ya songo kai dia ko ah kai dia wo kai kaliyesi hmm. dole kalar min suru ga haudir ko ga hangan kai di taji kan ka ko ne amme deja ai non gora no go songo e so ka harudira kai dia haro mo go kai de ne du magte astem damana ta tsaya daura shi kun ba yanzu ba abin da yake iya yi ba iya ƙara sa ba iya ƙara wata shibka sai dai ya ƙara jiran wata damana kuma hallo ta zo to yanzu in wannan ruwan suka shaye zardan kin naku kuna iya ɗebo ruwa kuna iya irin wannan aro za shi ku yi ko kuwa ma ba ku samu ku yi dan garin kin ga sam kin ga aro zai ga haifo yan dumdum okay ok odin iga iga ta pray hal haro zum yin bandi din oh. tam so odin duma haro e ko kanuwa so mu da kai dia haro ban hmm. kul burgin gunungu tunandi gusole wala jawo haro kanga ka ngi ga hangan dinda ok mun bore ga hangan din da dan ga jau goyo da hure mm, kulu jau mm. haro kan ka har ta jau kanga ka da ne isa haro mm, aikin kaka ba kunda na gana don eh. kuma kan da aka kan ne na gato don ka hal haro ko giye banda kuddu mi zain wogite oh, oh. ngai wogite kalam ko to nan kan kad bonu moto pompa dan mun kulu a gine gite to kenan oh. suna nan suna jira dai yanzu dai kuma sai dai a tarka kare dai no kaina hala isa kai kaidiya mun ban dote ban da diya ban kan har ta joguka burgun nungo tunandi boriyan gala bure boriyan bai no iga berin da mm. watin nigin wana kuntur saison wa batinda da mm, nga albasan yan wala pom de mm. wala an ka ga himanda hala haro kai ga din daga ka to kul da oh. yanzu sun ce dai suna nan suna jira dan lokaci kadan a fara aikin kaka dai mhm. za fara aikin garka kuma Merci. beaucoup pour l'accueil. Merci à Karma. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Que vous soyez en ville ou bien en campagne, eh bien, s'informer, c'est un droit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur WhatsApp ici Il y a des gens qui sont sur WhatsApp Ouais, ouais, ouais, il y en a. Alors, euh, cette chronique vous concerne. Le lundi 28 septembre, le Niger a célébré la journée internationale de l'accès à l'information. Eh bien, dans cette chronique, nous allons aborder le droit des jeunes à l'information sur les opportunités de travail et de formation. Si l'équipe de la FADA s'est déplacée vers Carman, eh bien c'est pour apporter l'information à chacun d'entre nous. Vivre loin de la ville et bénéficier des offres d'emploi, oui, c'est possible à l'ère de la technologie et du digital. Mais il faut s'informer pour avoir accès aux opportunités, il faut s'informer. Alors on se demanderait comment avoir accès à des opportunités de formation de distraction et d'information quand on est loin des grandes villes. Savez-vous que grâce à Internet, vous pouvez avoir accès à des informations sur des opportunités mais est-ce qu'il vous est arrivé de chercher des opportunités sur Internet Il est plus facile pour certains jeunes des grandes villes d'avoir des formations de leadership, des informations sur des bourses d'études ou encore des opportunités de voyage à l'étranger. Ou même tout simplement avoir des opportunités pour s'informer sur euh, l'agriculture, l'élevage ou bien d'autres. Cette facilité est due à l'accès aux informations grâce à Internet. Aujourd'hui, presque tout le monde a WhatsApp. Vrai ou faux eh bien, pour ceux et celles qui vivent en zone rurale, il n'est pas facile de trouver des informations. Mais souvent, on dit vouloir, c'est pouvoir. À l'ère du digital où au moins dans une famille, une personne a accès à Internet via son smartphone, il suffit un peu de détermination et d'astuces. Les astuces, voici ce que je vous propose. D'abord, intégrer des groupes de partage, par exemple sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Il y a plusieurs groupes de partage des opportunités dans lesquels on pourrait avoir des principaux informations sur euh, l'agriculture, l'élevage. Et parmi les participants de ce groupe, on a des gens qui viennent de diverses régions. Et aussi, beaucoup de pages partagent des informations sur les opportunités, sur des stages d'emploi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre ces pages et bénéficier des offres sans restriction géographique. Apprendre, comprendre, entreprendre pour servir, c'est le credo de notre génération. Et grâce aux outils digitaux, cela est possible. Eh bien, si vous avez WhatsApp, c'est bien d'écouter de la musique et des comédies, mais c'est aussi bien de s'informer pour être vraiment à, aux aguets ou bien être les premiers à bénéficier des opportunités. D'ici là, portez-vous bien et restez informés. Bye bye. Merci Olivier. Applaudissez pour cette chronique. Olivier, C'est la fin de tout ça, la fada. On va se dire bye bye avec les jeunes de Karma. Euh, Kanda muka yi hira tamu ta mon mun gane dai ke wannan ambalero bannar da ta musu ba kaɗan bace amma dai garde le sourire garde l'espoir suna nan suna jira kaka ta zo kuma a fara aikin garka tunda dai yanzu wanda ya tahi dai ya tahi <clears throat> amma dai waɗannan matasan kuma suna neman taimako suna neman a kama musu sai mun ƙara haɗuwa matasan karma <laughs> da 'yan mata abokaina da mai sunana <laughs> kaldir ya gidi kyarkwai ne kalhan foyan ayo kai wana ban son kaldondi di zai zo ya hira shi kuma za ku ci gaba da wannan hira tare dondi shi kuma zai zo ya zanci bisa kan abin da kuke da niyyayi abin da ya kamata a yi menene ya kamata a yi tun da yanzu wannan ɓannar da an riga an yi ta shi na ruwa riga cinye muku gonakanku da garakanku yanzu mine ne kamata a yi da shi za ku ci gaba da wannan hira sai mun kara haduwa bisa kan shirin tus alafada ko kuma ce lambar mu 40688 da kuke iya ba mu ra'ayinku bisa kan wannan shirye-shirye namu akan ta sai kuma wata rana bye bye lafi au revoir <laughs>